C'est pour encore lancer un presque dernier avertissement au président de la République. Pour lui dire, nous ne croiserons plus les bras. Nous en avons marre d'avoir un esprit défaitiste. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes des pacifistes et être pacifiste, c'est également être déterminé. Nous en avons marre d'encaisser nous en avons marre d'avaler des couleuvres. Désormais, ce sera œil pour œil et dent pour dent. C'est cela qui fait que le prochain rassemblement aura lieu à la place de l'indépendance. C'est là-bas que nous organiserons le prochain rassemblement des sentinelles de la résistance. Nous n'avons pas peur. À Macky Sall, nous disons que nous n'avons pas peur. Vous avez vu la liste que les flyers que nous sommes en train de distribuer. Macky a battu tous les records en termes d'emprisonnement d'hommes politiques. Et nous avons posé la question à qui le tour Ça peut être moi. À qui le tour Ça peut être Abambay. À qui le tour Ça peut être notre ami et frère Martin Samb. À qui le tour Ça peut être tous ceux qui croient au combat de Khalifa Ababakar Karsal. Mais si Maki est prêt à emprisonner tous les Sénégalais qui le contestent, tous les Sénégalais qui ne partagent pas son point de vue, tous les Sénégalais qui ne partagent pas son programme, tous les Sénégalais qui ne veulent pas de son deuxième mandat, alors Macky Sall n'a n'a qu'à renoncer à son TER et utiliser l'argent du TER pour construire des prisons, car il va emprisonner les 14 millions de Sénégalais. Quand il est arrivé à la ville de Dakar, il n'a pas fait de table il n'a viré personne, il n'a humilié personne. Il a continué avec tout le monde parce que ce qui importait, c'était de construire une nouvelle collectivité. Khalifa n'a jamais parlé du bilan de Pape Diop. Khalifa n'a jamais parlé du bilan de Pape Diop. Parce que Khalifa sait c'est quoi le service public. En 2000, on a perdu le pouvoir, on a été humilié, on a été insulté, on a été voué au Gémenie. Mais on s'est construit lentement, petit à petit. Et quand les Dakarois lui ont fait confiance, il a montré c'est quoi la gestion, c'est quoi la gouvernance, c'est quoi le sérieux, c'est quoi être un ingénieur dans la gestion des services publics. Et les Dakarois l'ont compris et c'est ça le bilan, M. Maxal. Un bilan, c'est d'abord un ressenti. Un bilan, c'est un accord dans le cœur et dans le Un bilan, c'est validé par les citoyens qui comprennent où est-ce qu'ils vont, qui sont rassurés par les choix du président et qui comprennent et encouragent les choix du gouvernement. Leur place, n'est pas Rebus. Leur place, c'est ici avec nous. Et nous allons nous battre pour que ces camarades-là soient libres. Et tant que libres, nous, chaque vendredi, corps des pause. Mais au-delà des vendredis, il y aura d'autres programmes, il y aura d'autres manifestations. Il y aura d'autres rassemblements Il y aura des familles... jeunes yi ab waa Rasi ab waa Convergence waa ADK ñëpp dinañ ci pour nous yëngal parce qu'il est temps que nous nous ñu est-ce que vous êtes d'accord pour nous yëngal il faut qu'on dégage Macky Sall il faut qu'on dégage Macky Sall nous avons assez nous disons basta à Macky Sall il faut qu'il arrête y a wax gens qui vont réew mais réew nous, dinañ pas parce que Khalifa Sall, il est candidat, il sera candidat et il va remporter les élections. Qu'il reste en prison ou non, Khalifa sera candidat. Et nous allons battre campagne pour lui, pour qu'il soit président, parce que assez, et les Sénégalais ont assez souffert. Il faut que Khalifa relève le défi. Il s'agit de libérer le peuple sénégalais. Il faut libérer le maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Comment dans un pays peut-on mettre en prison les maires que les maires d'Afrique ont choisi pour en faire le président des maires d'Afrique C'est inacceptable. Le Sénégal de 1960 à nos jours, Jar jaar yi histoire de Sénégal wala j'ai honte pour mon pays j'ai honte pour la démocratie de notre pays la démocratie ce n'est pas mettre en prison qui on veut quand on veut c'est inacceptable quand on était jeune on se ressourçait dans les musiques d'ici et d'ailleurs règlement moi bari equal rights no justice here Sénégal ni nous mel dafa dellu ginnaaw c'est inacceptable ñoom ñi ngi jëfur ci seen biir sax di jiñante di waxante ay wax yu ñaaw mais loolu ñoruñu li ñu ñor mooy Khalifa Sall génn ci biti li ñu ñor mooy Barthélemy Dias ci biti wéyal liggéey bi nga ni ñu ko doon Sénégal nous ne souhaitons pas que le Sénégal en arrive à ça c'est pourquoi l'appel que je lance aux magistrats restez neutres restez neutres dites le droit Dites le droit et dites-le au nom du peuple sénégalais. Dites le droit et refusez de le dire au nom de Macky Sall. Clémenceau, c'était un grand homme d'État français. Clémenceau a dit une chose extrêmement importante. Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient tous indispensables. Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient tous indispensables. Eh bien, Macky Sall n'est pas indispensable. Aucun magistrat n'est indispensable. Et si nous si nous savons qu'en réalité, notre dernière demeure, ce sont les cimetières, alors on doit avoir le courage de dire le droit et de le dire au nom uniquement du peuple sénégalais.